de la fada assalamu alaikum da fatan kowane lafiya ina muku barka da shigowa wannan fadar tamu da ta hada mu a yau a university abdu mummuni ta nan babban birnin yamai inda muka taga matasa maza da mata don fira bisa kan wannan namu na yau mais avant on entend les termes skinny nous pensons directement à un numéro de tenue vestimentaire destiné aux femmes minces mais de nos jours euh, c'est partout grâce aux réseaux sociaux ce sont les femmes et les jeunes femmes selon leur corpulence qui sont désignées par le terme apoutou pour celles qui sont rondes et skinny pour celles qui sont minces. Loin d'être une insulte, cette comparaison souvent drôle peut frustrer certaines dames, voire créer un complexe d'infériorité pour certaines. Voilà, la fada de ce soir s'intéresse aux tendances à Poutou et skinny, quel est l'avis des jeunes sur le concept. Pour en parler ce soir, nous recevons Monsieur Lampo Abdel Nasser, il est étudiant. Bonsoir, tu vas bien Bonsoir. Mon barka da To Madala, Kusagareshi da mademoiselle Ali Soga, Alia, elle est étudiante aussi. Salut Kinalaya. Salut, ça va tomadella, non nan ita kuma muna mademoiselle isufu sharifa elle est aussi étudiante yane sharifa ça va dama muna lahiya ça va merci to je suis samira wafi pour la présentation et la technique est assurée par abdulkader chambiano la fada comme vous le savez c'est accompagné d'une rubrique rose de la musique et une chronique tout ceci en 35 minutes chrono top c'est parti voilà, amis jeunes, je l'ai annoncé à l'entame, la FADA s'est installée ce soir à l'université Abdoumouni de où nous parlons de cette tendance des appellations Apoutou et Skinny. On dit déjà Apoutou c'est femme de milliardaires. Et souvent, les Skinny, Skinny plutôt, c'est femme de milliardaires et les Apoutou ne sont pas d'accord. Elles disent c'est plus tu as la chair, surtout ici en Afrique. On a déjà eu à parler de ça. À l'entame, 9. Voilà donc ici comment les principaux concernés se sentent par rapport à ces appellations. Dans la première partie de notre FADA, nous voulons en savoir plus. Donc, mesdames, autour du thé, voilà votre avis compte. Je commence avec toi, mademoiselle Sherifa. <laughs> in kike ji je me sens valorisée mhm. puisque j'ai aucun j'ai aucun concept là-dessus mhm. à ce qu'on m'appelle a mhm, Et Dieu m'a créé ainsi, je reconnais et j'en suis fière. Aussi, je peux aussi dire que Apuchu, en général, ça représente la femme africaine. Je me africaine africaine bon en général quand on prend 70% des femmes africaines uh-huh. sont des femmes rondes hmm. les femmes skinny en général sont des femmes européennes mm-hmm. donc moi je suis fière de représenter la femme africaine j'ai ah, ah. aucun concept là-dessus à ce qu'on m'appelle Apuchou, je suis Apuchou, je suis fière il faut sauver l'honneur des skins. Elle vient de dire que les femmes rondes, c'est elles qui représentent les femmes africaines. Sune Kerekeba. To, ke kuma gaki, El Siririya, El Shila. Kin gane, ya kamata ki bamu naki bayani, ki a ganin ki yanzu in kika wuce aka ce skini. Yan matsatsiyan mace daidai, daidai kudin kowa aka ce ko. Shikenan ke ya kike ji? Bon, elle a, disons qu'elle a un peu raison sur le fait que mm -hmm. les femmes rondes mm -hmm. représentent l'Afrique. Mm -hmm. Puisque euh, les femmes africaines sont de nature voluptueuse. Mhm. Mais bon, être skinny, c'est pas la fatalité du monde. Bon, au fait, la plupart des temps quand les filles euh, veulent prendre du poids, mhm. c'est pour plaire aux hommes. Mhm. Sincèrement parlant, c'est pour plaire aux hommes. Au fait, quand tu te. Il y a plusieurs filles skinny qui prennent des produits des pour vitamines pour grossir. Mhm. Au fait, ça n'en vaut pas la peine. Tu n'as pas besoin de transformer ton corps pour plaire à un homme. La plupart des hommes maintenant préfèrent les filles Ah, ah mais oui Atoshi <laughs> ah, Kenan. donc toi, pour ça même, tu vas garder ta taille. Je garde ma taille. Atoshi ah, Kenan. Je garde ma taille. To, de nous avons aussi un homme sur cette fada. Ton avis compte beaucoup pour nous. Maintenant, tu vas nous dire, tu es apoutou ou bien tu es skinny. Il faut regarder les deux. Il hein. faut regarder les yeux des deux. Il ne faut pas avoir peur de l'une ou l'autre. skinny. Ah, haba, haba. On parle de, on parle de l'Afrique. Hein. Uh-huh. Ma jolie, on parle de l'Afrique et uh-huh. on parle de la femme qui représente l'Afrique. Et donc, moi, vraiment, je préfère être plus du côté de la femme qui représente l'Afrique. Et c'est laquelle eh, Mais quand même, Aputu, <laughs> Weborobambata i kaso i wargo kanwa a kungu C'est ne en fait pourquoi j'aime j'aime les, les, les, filles à Pouchou mhm. en fait en relation genre en relation copain copine ou mhm. bien en relation de mariage en fait les femmes à sont soumises elles sont dociles, elles sont respectueuses, elles sont calmes. Si tu n'es pas d'accord, tu peux elles parler. Sont, elles sont vraiment attentives. Alia, si tu, n'es pas d'accord, tu as le micro, contrairement, tu peux parler. Contrairement aux, aux, filles skinny, dans une relation, voilà, elles sont, elles sont imposantes, elles se croient déjà indépendantes, elles hein? se croient vraiment beaucoup de choses. De je, ne sais quoi avec les skinny, vraiment. En fait, quand tu es dans une relation avec skinny, vraiment, il faut, il faut être vraiment un guerrier. Il faut avoir, euh, comment dirais-je, euh, les, trucs là de, Hegel, de Marx et de, de, pour avec toi pour la garder. Parce que vraiment, c'est une fille vraiment, elle change de couleur, elle est comme les caméléons. Aujourd'hui, elle est là, tu la comprends, demain, elle sort avec un, nouveau visage et puis du coup, du coup c'est compliqué. Mais tu vois, avec euh, non Toujours les bébés, oh là là, tu vois, non Avec les Apuchu, vraiment. Les hommes, nous les hommes, on n'a pas de problème. C'est pourquoi. Et les hommes aiment là où il y a la tranquillité. Mhm. Ça, tu es d'accord avec moi. Mhm. Mais avec les skinny, toujours c'est la guerre, toujours c'est les disputes par-ci, par-là. Alia, tu penses que ça Mais monsieur, je ne suis pas d'accord. Toi, ah Alia n'est pas d'accord. La question de soumission et de respect envers mhm. un homme est une question d'éducation. Quand tu es bien éduqué chez toi, tu respectes l'homme. C'est une question d'éducation. En principe africain, nous, dès notre enfance, on nous apprend que l'homme est au-dessus de la femme. Mhm. Religieusement et même socialement, c'est comme ça. Donc le concept de respect, petit bébé par-ci, par-là, c'est une question d'éducation. Il n'y a pas de femme skinny ou aboutu, nous sommes toutes des femmes je continue avec toi, Alia Laskini, parce qu'elle vient de défendre euh, Sherifa Aptou. Maintenant, la question que je vais te poser, est-ce que ce genre de commentaire, parce qu'il n'est pas le seul homme à penser comme ça, ils sont beaucoup, le technicien est là, sûrement il pense la même chose. Nous avons nos, ceux qui nous écoutent autour de la FADA, et aussi sûrement ils sont d'accord avec ça. Donc, ce que je veux savoir, est-ce que cela ne touche pas ton estime de soi, ta confiance en toi quand il y a des commentaires comme ça Il y a plusieurs fois quand je passe, on me dit Ah, toi tu es trop maigre, tu dois prendre du poids. Non, moi je suis bien dans ma peau. Tout est une question de comment tu te sens. Et quand tu es bien dans ta peau, faut rester comme tu es. ne Faut pas essayer de changer pour quelqu'un ou pour plaire à quelqu'un. Tu restes naturellement comme tu es. C'est comme ça que Dieu nous a créés, donc nous on reste comme ça. On n'a pas besoin de prendre du poids pour plaire à X ou Y. fada. Je crois que j'ai quelque chose à ajouter comme elle l'a si bien dit. Uh-huh. Tout dépend de l'éducation et que l'homme est au-dessus de la femme. Et je crois bien que naturellement, la femme doit faire tout de son mieux pour plaire à un homme. Parce qu'elle aspire un homme qui va la prendre en mariage. Ou bien, et eh mais uh-huh. si la femme ne fournit pas de, de, l'effort pour, plaire à un homme, mais comment ce, dernier la va changer à mmh. venir vers elle, en plus forte raison, avoir peut-être l'ambition de la prendre en mariage C'est de ça qu'il s'agit. En fait, euh, ce que vous ne comprenez pas, c'est que on n'a pas besoin de prendre du poids pour plaire à un homme. Beaucoup d'hommes si. comme vous. Si, c'est important. Vous préférez les filles voluptueuses. C'est important. Voilà, pour vous. Puisque la conception des choses est différente de chaque côté. Il y a des hommes qui préfèrent les filles skinny ta sera comme ça c'est parce ah, que c'est parce que c'est parce que il faut pas faut pas devenir deuxième femme à la fada mari pour toi seul parce que si c'est le temps ils vont faire comme ça ici assise même à la fada j'ai à, à, mes côtés un homme qui me défend. J'ai même pas besoin de me défendre. Tu vois Ah oui, ah, ah. quand, tu, quand, tu es Apuchu, quand tu es Apuchu, pour moi, je crois que tu as tout. Hein. Hey, quand tu es Apuchu, Merci tu as de tout. bien réitérer en disant pour toi. c'est pas pour tout le monde kai waga hada ba ta kariya daga nan university Allah ɗaya sai inda zamu tsinci kan mu to yanzu da aminan mu na fada zamu je mu yi dan hutun takaitaccen lokaci dan sauraron rubrika in Intamu tare da yan matan studio Kalangu dan jin da mi suka zo da shi Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. Coucou les filles de l'espace à beauté de la rubrique Rosa. Nous allons parler des dents jaunes et ça sera avec moi, Maria Madi. Pour commencer, pourquoi les dents jaunissent Les causes des dents jaunes sont diverses. Les dents au naturel ne sont pas blanches. Le facteur de la génétique explique que certaines personnes aient des dents apparemment plus blanches que d'autres. Cet effet peut être renforcé en fonction de la couleur de la gencive. L'épaisseur de l'émail dentaire joue aussi un rôle. Plus l'émail est mince, plus vite la partie intérieure de la dent de couleur jaune devient visible. L'éclaircissement dentaire ne concerne donc que la partie apparente de la dent, qui elle seule est modifiable. Les taches sur les dents peuvent parvenir notamment du tabac et de certains aliments. Une première astuce pour blanchir les dents est donc de limiter sa consommation de thé, café, sucreries ou autres aliments colorés ou de se brosser les dents juste après. Quelques maladies et traitements peuvent également conduire à un jaunissement dents, comment préserver ses dents blanches au quotidien, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Pour avoir une bonne hygiène euh, buccale quotidien, il est primordial de se brosser les dents après chaque repas en utilisant un dentifrice adopté selon son niveau de sensibilité dentaire. Le brossage des dents, pour être efficace, doit se faire par des mouvements de rotation sur les dents, du rose vers le blanc, en inclinant la brosse en diagonale de manière à protéger les gencives. Un suivi chez les dentistes doit être effectué régulièrement dès l'enfance. Utilisez un dentifrice à blancheur. Les dentifrices de soins pour la blancheur des dents sont très répandus. Les textures du fer à pâte, poudre ou pastille sans eau ni brosse. Ces dentifrices blanchissants peuvent être à un effet immédiat en jouant par pigmentation sur les constrates contre la couleur des dents et celle de la gencive. Optez pour une brosse à dents blanchère. Une brosse à dents souple est d'abord la plus appropriée. Les agents présents dans l'œil dentifrice blanchissant ont tendance à agresser l'intérieur des dents et les gencives. Les poils de la brosse et les mouvements pendant le brossage doivent donc rester doux. Terminez avec un bain de bouche à effet blanchissant. Le produit se dépose à sur les gencives et les dents et prévient l'incrustation de nouvelles taches. Les bains de bouche sont efficaces en complément du prosage des dents systématique. C'est tout pour la rubrique rose de ce samedi. Rukaya va continuer demain avec les solutions pour blanchir les dents. a little piece, just a little feel up. Now you take a set up on me, I eat up. Give me space, give me room, give me a little breeze. No, Jesus. I want make you feel so. Yeah. me keep it tight and me ever clean so. Want me did want, tell me never need you. This enough for people know keep it on a deal. I'm uh. too young for lockdown with nobody. I pray one day somebody keep your company. Shape. amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission de Tous à la Fada qui s'est installée à l'université Abdoumouni de plus précisément dans la cité au restaurant d'Okanoma. Et pour ceux et celles qui viennent de prendre cette émission en cours, nous parlons de tendance à Poutu et Skinny, qui est l'avis des jeunes sur le concept et nous l'avons. Cette fois-ci, des émotions que cette tendance crée entre femmes est souvent une concurrence, voire être l'une de, ces dernières, la vie des jeunes, comment ça se passe dans la communauté et tout. Je continue avec vous, Monsieur Nasser. Oui, je vous écoute. Ne pensez-vous pas qu'en appelant une femme skinny, cela peut frustrer la femme Par exemple, si tu appréciais, cela peut frustrer la femme ronde, ou bien maintenant en appréciant la aputu, tu penses pas que tu es en train de toucher l'estime de la skinny Bon, en fait, euh, quand on dit on dit skinny, tout à l'heure vous avez posé la question à la femme ronde qui est là, mhm. la femme africaine. Mhm. Comment elle se sent Sur cette fada, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui est pour les skinny. Est-ce que tu es pour les skinny il vient sur la fada. Je, suis en, train de, je suis en train de parler. Est-ce que tu vois uh-huh. Moi, j'ai rencontré pas mal de filles skinny uh-huh. qui me disent que vraiment elles, elles ont envie de boire quelque chose ou bien de manger quelque chose pour, grossir. fait, parce aux elles, elles, en ont, en ont marre en fait de l'appellation iskini, iskini. Il n'y a que les os, il n'y a pas de viande, il rien. Mais nous avons une fille qui est fière d'être skinny. Vois, Peut-être elle, elle fait l'exception, mais elle aussi, quelque part, si on pose le vrai débat, peut-être quelque part. Merci. Comment tu t'appelles Voilà, donc euh, bonjour à toutes euh, et à tous. Bonjour. Je viens de prendre euh, votre fada en cours. exactement. Pour la petite appellation, je réponds au nom de nous, Diaga Mohamed. Mhm. Je suis un étudiant en médecine. Ok, et Voilà, moi, je préfère, pour ne pas dire <laughs> l'autre mot que je ne vais pas dire, la femme skinny à euh, la femme à Avant, moi, j'étais dans la même mentalité que toi à un moment donné. Uh-huh, uh-huh, je uh-huh. disais, il faut des trucs comme ça, quoi. De la chair, alors que c'est pas ça. Mm-hmm. C'est la vie que j'ai eu à faire, les quelques années que j'ai eu à faire à la médecine, mm-hmm. qui m'a vraiment conseillé au fait. Mm-hmm, j'ai vu tellement de conséquences néfastes par rapport à, aux apouchous, les femmes avec. Euh, des poids très très élevés. quoi. Mhm, c'est vraiment mhm. pas la joie. Et mhm, quand, tu vas, et quand tu vas vivre avec les femmes à c'est à ce moment que tu sauras vraiment. Sherifa, Sherifa, t'arrêtes. Sherifa, c'est elle là. Il ne faut pas qu'on confondre une femme à et une femme obèse. C'est différent. Merci. Femme à quand on, on, veut dire par femme à une femme ronde. Merci, oui, effectivement. L'obésité, c'est une maladie. Par rapport à l'obésité, oui, c'est une maladie. Et je vais apporter quelques éléments d'éclaircissement. Mhm. Quand est-ce qu'on parle même d'obésité Quand est-ce qu'on parle de surpoids Quand est-ce qu'on parle de dénutrition Quand est-ce qu'on parle de malnutrition Parce que l'OMS a très bien défini ces choses-là à mhm. travers ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle qu'on appelle IMC. Et c'est mathématique la formule-là. Il suffit juste de faire le poids sur la taille au carré. Maintenant, en fonction de la valeur que tu vas trouver, c'est à ce moment que tu vas définir si réellement une femme est obèse ou malnutrie ou voilà en surpoids. Uh-huh. Maintenant, si la valeur atteint 16,5, là, la personne est en dénutrition. Si la valeur atteint 16, de 16,5 à 18,5, la personne est en, est en maigreur. On dit que la personne est maigre. 16,5 à 18,5. Maintenant, si la valeur est comprise entre 18,5 à 25, là, on dit que la personne a le poids normal. Ah, Est-ce que vous voyez maintenant, si ça dépasse, si c'est de 25 à 30, on dit que la personne est en surpoids. C'est pas obésité, ça aussi, c'est surpoids. Maintenant, quand c'est de 30 à 35, on dit que la personne est en obésité, mais modérée. Est-ce que vous voyez je te donne la parole. Je suis pas d'accord. Je t'ai donné l'explication on arrête là. Est-ce que ce, est-ce que, ce que Mohamed vient de dire là Non, on ne peut pas le contredire puisque mhm. il vient de nous raconter son cours de médecine. Voilà. <laughs> Il vient de nous réciter euh, comment dirait son cours. To ke te donne pas envie que change Non non non non non non. Ça me donne pas envie de changer. Mm -hmm. J'ai aucun complexe sur mon corps. Et mhm. aussi je sais que je suis pas en surpoids. Mhm puisque j'ai aucune difficulté à faire des gestes. Mm. Je ne me sens pas, je me sens pas en surpoids au fait. Mm, mm, et ça, donc, ça me donne pas envie. Hmm? Tu peux faire Il y a des, femmes skinny aussi qui sont malades. Elles sont malades jamais... Ah oui. Elles sont malades non, comment ne jamais poser un diagnostic. Quelqu'un qui mange le matin avoir et ne plus manger jusqu'au soir. Est-ce que j'ai fait ton indice de masse corporelle pour savoir Mais est-ce que attendez, il vient de soulever un débat. Il vient de soulever notre débat. Excusez-moi, je vais vous retirer la parole. Oui. Je te pose la question, Alia. Est-ce que toi, tu fais partie de ces skinny là qui ne mangent pas le soir ou bien le matin juste pour <laughs> garder la taille ou bien c'est Dieu qui t'a créé ainsi la quantité de ta consommation journalière n'influe pas sur ton poids. Mhm. Ça n'influe pas sur ton poids. Et l'étudiant en médecine peut témoigner de ça. Euh, moi, personnellement, je ne mange pas beaucoup. Je suis de nature à ne pas trop manger. Mhm. Mais il y a des filles que je connais. Mhm. de plus elles sont pour plus rester minces skinny. que moi. <laughs> C'est pas pour rester skinny. Nous, nous sommes naturellement comme ça. Il faut s'accepter comme tu es. Ah, comme la nature t'a créé. Ah, <laughs> Donc il dit comme la nature l'a créé. Donc il peux à ce niveau qu'une femme ronde aussi, c'est la nature qui l'a créé ainsi. C'est ah, ça. Donc elle, elle, elle, mérite. Non, de la manière dont vous avez expliqué la science, c'est comme si être une femme ronde en fait c'est une maladie à un, degré donné, c'est une maladie. non, non, oui, ce, n'est pas ça. maintenant, je vais tout vous expliquer. Mohamed avait juste expliqué les termes de si le poids atteint tel et tel nombre, voilà ce que ça signifie. Si, ce, voilà, si ça atteint tel nombre, voilà ce, que ça signifie. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas une apouture. C'est à quel niveau on doit commencer à parler de apouture C'est à quel niveau, on doit vraiment commencer te au niveau de la femme. question. Maintenant, par rapport au terme apuchu je, je, dois te rappeler que ce n'est pas un terme que la science a créé, non. C'est un terme que dans la société, les gens, les ont, gens ont, concocté pour Iskini aussi. ces appellations. Oui, Iskini et apuchu C'est-à-dire la, science, la taille des jeans elle, n'a pas dit hein. que voilà, à tel nombre d'indices de masse corporelle, à telle valeur, cette femme est Apuchu, à telle valeur, cette femme est skinny. C'est-à-dire, ça, c'est la société qui a fait ça. Donc, si tu t'attends à ce que je te donne une valeur exacte que la science a dit, tu veux me voir mentir et moi je vais pas mentir je ne vais pas te donner to ah, je mais chérifa, c'est pour ne pas te blesser. Moi, je veux pas te blesser, tu sais, je t'aime. Mais, la chanson qu'on va choisir, c'est la chanson de DJ Lewis avec le titre Skinny. Hein, la vengeance de Skinny, afro, décalé, house, music, petit modèle Skinny. La montagne Paris. réseau. Ah bon Quand il la vois, on dirait quelqu'un qui mange pas, mais elle peut finir un kilo de riz. Hein Skinny, c'est bon, mais. Mais quoi Mais non, cannabis, non. Eh, eh, Flexi le fournisseur. Eh, les apoutchous là, on manque pas d'hommes. Avant les, les, femmes obèses même n'ont pas manqué d'hommes. Alors comment est-ce que les femmes Apuchou, généralement une femme ronde peut-elle manquer d'hommes Chacun chose sa pointure, ma chérie. Il n'y a pas de femme qui manque d'hommes. Il n'y en a pas. mais, en quand même, on a choisi qui la dit femme dit femme Apuchou, femme ronde. Les autres, c'est pour les chiens. Oui, mais la chair, c'est pour les affamés là, là, seulement, ça commence à se tirer dessus. À cause de la petite chanson qu'on a choisie là, Sherifa nous a cassé. Est-ce une femme de milliardaire, est-ce une femme de milliardaire Apparemment, la phrase là ne t'a pas plus quoi. Sinon, c'est la réalité. sinon, il y a des milliardaires aussi qui ont des femmes à Pouchou. Hein. Ah oui. Voilà. sur les réseaux, on ne connaît pas de millionnaires ou bien de milliardaires qui expose peut-être sa femme milliardaire, mais il y a des hommes qui ont de l'argent en fait qui ont des femmes à Pouchou. Plusieurs premières dames de ce monde sont des femmes à Pouchou. Merci. Merci. To daga nan madalla mu huto daga sauraron wannan wakar da c'était le titre Skinny de DJ Lewis après cette pause musicale continuons nos échanges sous le thème tendance à pour skinny. Ce débat qui devient de plus en plus chaud, quel est l'avis des jeunes sur le concept Troisième et dernière partie de notre fada. Là, je voudrais que chacun chacun de nos invités euh, m'ouvre vraiment son cœur avec euh, ses derniers avis. Je commence avec toi, Sherifa. Selon toi, quelle est la femme idéale. Bon. Sans penser à toi, sans penser à elle. <laughs> Vraiment. Faut me dire. Tu mance da kanki ki mance da idan ki a ganin ki ne conflit avec la skin qui a. Daidai mace ka gane take ke a ganin ki mace gawa da ya na A gani na mace daidai. Mhm. Fi ce mace ronde ah, comme tu viens de, de le dire femme à Puisque je peux pas être à et dire que la femme idéale c'est une femme skinny. Non là, donc, ça revient à ce que je, suis en train même de m'insulter. <laughs> oui. je ne peux pas faire de la femme est une femme idéale alors que moi je suis apuchu. En conclusion, la femme idéale, c'est une femme apuchu. Au fait, euh, le concept de femme idéale dépend de l'homme avec qui elle va finir sa vie, au fait. Parce que pour d'autres, pour certains, ce sont les Apoutu. Pour d'autres, ce sont les skinny. Donc, au fait, il n'y a pas de concept de femme idéale ou pas. Toute femme est idéale aux yeux de son homme. Et c'est tout. Nasser, pour toi, en tant qu'homme, alors, alors, en tant que, en tant que homme. Non, en fait, tu connais pas ma réponse. Ah, ah. Parce que, en fait, oui, effectivement, tu as, on est en train de parler de Apuchu et des skinny. Mhm. Mais on a oublié, il y a, y a une femme intermédiaire d'ailleurs qui prend le dessus sur les femmes. Voilà, qui prend le dessus entre les femmes iskini et les femmes apuchu. Et c'est laquelle Parce qu'elle est là, elle n'est pas iskini, elle n'est pas apuchu. Est-ce que tu vois mhm. Donc c'est ce que moi j'appelle iskini pouch Est-ce que tu vois Quand elle rentre dans une robe, est-ce que tu vois et qu'elle marche vers toi Mon frère, Ma soeur, il y, a, une vibration en fait que tu sens, en fait c'est indépendamment de toi. Pour toi, c'est celle qui est au juste milieu là, c'est elle au la milieu, Est-ce que tu vois hmm. Quand on dit skinny tu c'est que voilà, elle a des, critères de Apuchu et elle a aussi des critères de skinny. Ah bon Est-ce que tu vois Donc, hmm. genre, elle a, elle, a, elle a des trucs que voilà qu'on voit chez les Apuchu et elle a aussi des, tu vois, Qu'on voit, c'est les skins. En tout cas, il y a nos spectateurs qui disent que tu ne sais pas ce que tu veux. Mohamed, pour toi, quelle est la femme idéale Iskini rien. c'est comme les spectateurs ont eu à le dire. C'est mhm. quoi le nom de mon ami, là Skinny Pooch. Skinny Pooch. apparemment. <laughs> Lui-même, il est d'accord. Non, non, ah. c'est que toi-même, tu ne connais pas ton goût, en fait, quoi. <laughs> c'est ce que j'ai conclu. Donc, euh, mhm. par rapport au sujet, là, la femme idéale, et moi, je me dis que c'est au-delà du fait d'être skinny ou apuchou. Une mhm. femme idéale, ça ne se résume pas uniquement à sa corpulence, selon moi. Mhm. Certes, oui, je préfère les femmes skinny, mhm. mais comme les autres, je ne vais pas dire que la femme idéale, c'est la femme skinny parce que c'est ce que je préfère. Parce que mon humanisme va au-delà de ça. Pour moi, la femme idéale, c'est tout simplement la femme qui comprend, la femme humble, la femme modeste, la femme pieuse. Pour moi, je ne peux pas dire une femme idéale et me baser sur uniquement le fait de sa morphologie, sur uniquement sa morphologie. Moi, je me dis tu que Tu vas la un... prendre pour sa elle va aller te battre à la maison maison. Là. Cas, il te faut ah, une femme à Poutou, mon frère. Dans ce cas, il te faut une femme à Poutou, je répète. Il te faut une femme à Poutou. Tu vois, Monsieur, je vous ai déjà dit que... À mon dernier tour de questions, chérie, pas encore moi, il y a un sani, il y a un message y a un conseil y a un conseil apotun da suke ne wayanda ke complexe bisa kan apparence in Mais Maintenant, moi, ce que j'ai à dire sur ce concept, aucune femme ne devrait se sentir vexée, qu'elle soit apuchu ou iskini. Puisqu'en général, tant qu'on a confiance en soi, on ne devrait pas, une appellation ne devrait pas nous vexer. Oui. Oui, je rejoins son idée aussi. Mhm. Parce que tu n'as pas besoin d'être complexé mhm. pour ce que tu es. La nature t'a créé ainsi, donc accepte ton corps comme tu es. Nasser Oui, à ce niveau, je rejoins les, deux filles. Vraiment, dans la vie, il ne faut pas se compliquer les choses en fait. Mhm. Dieu t'a créé, tu es Poutou, tu manges bien, tu respires bien. Donc je crois bien que tu n'as pas besoin en fait de, de prendre une inscription dans, dans les salles de gym pour pouvoir perdre peut-être 50 kilos en un mois. Est-ce que tu produits Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Quand tu, es skinny aussi, tu n'as pas besoin peut-être de manger la nuit peut-être 10 kilos de riz avec viande ou je ne sais quoi pour grossir le lendemain, pour pouvoir peut-être c'est un exemple, c'est un, exemple je prends. un message que tu voudrais faire passer aux femmes qui, se, qui complexent leur apparence Ok, ok peu importe euh, la femme, si elle est skinny ou à Puchu, le message que j'ai à lancer à l'endroit de toutes, c'est que vraiment la personne ne doit pas se complexer à cause de ça. Parce que être skinny, c'est une bénédiction de Dieu tout comme être Poutou aussi, pour ne pas faire comme l'autre. Uh-huh. Parce que moi, je préfère parler des deux côtés et ne pas laisser l'autre côté. C'est ça, mm-hmm. être juste selon moi. L'autre message, l'autre message médicalement, mm-hmm. c'est que quand Dieu te fait comme tu es naturellement, mm-hmm. par exemple, Apoutu tu peux vouloir réduire ton poids, oui, mais pas trop. on va en venir dans la deuxième partie avec euh, mon binôme d'aujourd'hui qui est Ali Moukaila Ousseini, 50%. Sur ce, avant de clôturer, nous allons d'abord accueillir Seno 50% et sa chronique du jour. Ami du FADA, bonsoir tout en espérant que votre semaine a été excellente. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'influence, que ce soit à travers les médias sociaux, la publicité, la musique ou même nos interactions quotidiennes. L'influence exerce un pouvoir considérable sur nos vies. L'influence peut être définie comme le processus par lequel une personne ou une chose affecte les opinions, les comportements et les choix d'une autre. Elle est partout, omniprésente, parfois insidieuse, mais aussi pour de grandes opportunités. Prenons l'exemple des médias sociaux. Chaque jour, des milliards de personnes partagent des idées, des images et des opinions. Ces plateformes offrent un espace pour l'expression individuelle, mais elles sont également le terrain de jeu de l'influence. Les influenceurs numériques, avec leurs millions d'adeptes, peuvent façonner les tendances, préférences et même les valeurs de leur public. Dans le monde de la publicité, l'influence est le sens même de l'industrie. Les publicitaires utilisent des techniques techniques sophistiquées pour susciter des émotions, créer des besoins et inciter à l'achat. Une simple image ou un jingle peut rester gravé dans notre mémoire pendant des années, nous incitant à choisir un produit plutôt qu'un autre. C'est avec ces exemples que nous prenons congé de vous, chers amis jeunes du FADA. On se retrouve demain, même heure, même canard pour la suite. Merci, Seno. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission de ce samedi. Merci de nous avoir tenu compagnie, chers invités. Nous étions avec euh, Mademoiselle Alia. Nous avons aussi eu Sherifa, Abdul Nasser et Monsieur Mohamed qui nous a donné son avis médical sur le sujet. Avec eux, tare da Momata, abokan namu mun tattauna ne akan me aka fi so. Mace mai dan kiba, matsakaiciya wasu suka ce <laughs> da amma kowane ya ba mu shi kowane in corpulence in shi kuma mais au final nous nous sommes tous entendus par rapport à la femme idéale Chacun a donné son avis, mais là, nous sommes revenus sur euh, la même base de sujet et c'est sur ça que je vais vous dire Moutalafia. Lafia. sai kuma sati mai zuwa idan mun sake haduwa amma daga nan zan bar ku saboda gobe ku sadu tare da Ali Sankant Boxan saboda ku samu ku ji miye consequence in wannan abubuwa bisa kan lafiyar jikin mutane da duk abin da ya kama da haka daga nan zan ce muku azawa salam bye bye